alaikum wa C'est euh, seen serviteur Clédor Sen mooy am mbégte euh, di Internet ak internetu euh, opinion libre opinion libre TV. di remercier Pape Matar ci invitation Il faut am ak un round-up de l'actualité, Inch'Allah. non commentaire bi dafa tout. parce que hôpital bu manque de planification gënu ko parce que hôpital boo gis dafa réserve foncière bu ci nekk boo xam ci prévoir ay extension future rawatina nak hôpital bo xamni mu ngi tok ci 6 hectares nga wara a am 3 hectares yo ci mën jaay euh pour raser ben 3 hectares bi nga xamni existant bi ci la nek pour mën ko euh, euh, reconstruire euh manque de planification la euh, euh jaay souf hôpital warut a mën parce que c'est un patrimoine inaliénable du lo xamné ne lu ñuy jaay la té ndegam travailleur hôpital ñoo

su Covid sax bu une urgence comme ça mën na 1000 milliards ci ci suñu budget par loi d'habilitation Yo xamni kenn xamul fu mu fu mu fu fu mu dugg léegi bu fekkee ni farata ju day ni hôpital Le Dantec nga xamni hôpital bi c'est réservé aux couches les plus défavorisées professeurs yi gëna a xarañ fa la ñu nekk 63 professeurs apprenants yu bari 3000 apprenants lolu dootul hôpital kessé mais dafa doon un pilier euh, moteur un pilier essentiel du système de santé au Sénégal en matière de pratique de formation et de prise en charge des maladies donc nous nous nga business parce que 3 hectares 3 euh, euh, hectares c'est 30 000 mètres carrés Si on calculer 2 millions 2 millions le mètre 2 c'est 60 millions sur un projet de de 92 milliards c'est 60 milliards plutôt sur un projet de 92 milliards euh, c'est presque am solvabilité donc rawtina un état war na am capacité ou ay fonds ci ay bailleurs même bu fekkee ay recettes am ko parce que nous avons plus de 3000 milliards de recettes donc ay centaines de milliards nous privé mëne état war na parce que mom mom moom souci. donc conséquence ou démanteler hôpital avant ñu koy toj matériel parce que daf ci am trafic service urologie par exemple six blocs opératoires les mais ben lañu cinq yi y a un business en dessous de dafa commission d'enquête parlementaire pour donc nous des dara SAES euh, e euh, les grands syndicats des des des des des corps de santé nous avons And euh, 20e plan, 22e plan, 23e plan. Euh, Sidi Andjaye, euh, Mbalo Diacham, est-ce que vous avez ce problème Et nous, nous avons porté, nous avons porté revendication, nous avons personnel de santé. Mais nous une revendication plus cruciale, plus grave. Nous avons rasé l'hôpital, démantelé le matériel, nous avons été affecté réaffecter réaffecté 100 du matériel par exemple les malades du cancer Ben appareil qui est Touba bas, ce ne pas encore fonctionnel parce que ñu ci phase de test et essai ak appareil qui est euh, dalal le nga xam accélérateur ça pose problème fonctionnel wul donc avons une prise en charge donc nous ci bëri dinañu détériorer son état de santé wala ñu avons une bakkan rawatina nag dossiers médicaux yi nga xam ne ci am traçabilité parce que quand nous la traiter le cancer nous avons un historique médical ce historique médical bu ko ku ko bu ko professeur bi wala docteur bi amul mënu jël en charge mënu jël risque di la bombarder di la irradier d'atome euh, te xamul sa statut médical donc yooyu yep, mun na doon ay ay actes irresponsables yu criminels à l'endroit des malades yi nga xam ne dañ leen war jël en charge te gis ngeen ni amoon na sax euh, un assisteur euh, sous respiration boo xam dañ ko génnee mu dee kooku incompétence et insouciance ou état mudé. donc beaucoup de malades se trouvent dans le désarroi Rautina, le personnel bi nga xam ne déployer leen redéployer 63 professeurs tu vas les amener où une structure moo leen di accueillir ñun bëriwuñu ay hôpitaux c'est c'est des gradés de de de corps de santé professeur moom sont sommet Donc doo affecté foo xam ni que les médecins ou ay docteurs simples donc vraiment désarticulé désarticuler système de santé bi ci euh, euh, ni au déguerpiré euh, hôpital principal pour des raisons bassement matérielles manam ay souf ay alal te le patrimoine du Sénégal encore une fois c'est inaliénable ken mënul justifier ni da ngay jaay trois hectares pour tabax benen 3 hectares parce que bu ngeen démé hôpital femmes, tout le temps il y a des extensions ñuy tabax ay unités hôpital principal tabax nañu un hôpital qui est bu c'est privé à coût de plusieurs milliards c'est là l'hôpital principal. donc université On ngeen tout le temps un pavillon yu sur yu gain. rasé une université pour y un pavillon donc programme humain, il faut avoir a un programme phasé Il y a un phasage phase 1 phase 2 phase 3 Nous avons progressivement un plan de réinstallation de l'hôpital mais qui jékki rek comme si da nga bëgg respecter ay engagement contractuel yu la xoj le 15 août il faut déguerpir commencer à démanteler y a indi police police mu empêcher les ki dugg dans un service public L'hôpital c'est un service public Les médecins ils nga xam ne ñoo pendant des années ñu empêcher les dugg foofu ba ba violenter certains di nangu des ay portable ak je me demande dans quel état nous sommes C'est lu ñaaw a ñaaw a ñaaw la boo xam ne ñi nga xam ñoo ci mooy les syndicats euh, euh, de la santé ni nga xam ne dégguñu leen ci euh, askan bi war nañu def bloc taxaw ci te ma ci interpeller nak ñi doon campagne ci législative ni dañu bëgg jël en compte préoccupation sénégalais ben benn ni bu jamp bo xamné war nañ ci dégg tous les acteurs politiques ñu tek pression état surtout am nañu instrument parlementaire bo xam ne mën nañu arrêter processus bi rectifier ce qui peut l'être bala muy wessu parce que à la place du projet euh, proposé par les employés nous ko substituer proposé d'un coût de 300 milliards en plus de valeur ressources. donc il euh, yu ñaaw ñaaw nous euh, avons si parce qu'il faut faut nous tirer la sonnette d'alarme parce que rénover hôpital ñëpp Il y a un plateau médical à capacité d'accueil l'hôpital, c'est vers ça où on doit aller Mon président Macky Sall il fait une ay structures hospitalières yu ay Foundiougne ay Tamba on a applaudi des deux mains parce que ci direction boobu la qu'on a jëm mais collatéralité c'est am ci coowal inacceptable D'où ingéniosité de démanteler un système de santé pour tabac. Euh, même bu fekkee ne moo un ëpp capacité sax la muy lor un ëpp fuuf donc euh, il n'était pas nécessaire pour construire bijou Bobu nous ñu ce service de santé comme je le dis nous avons quand même 3000 apprenants 63 professeurs et des maladies qui xam ne des blocs opératoires euh, euh, par exemple 6 blocs en neurologie, nous ñu affecté Nous, en cancérologie nous avons opérer Nous avons def 15 opérations par semaine dalal avons bi service bi deux opérations par semaine la donc prise en charge de dafa dafa donc il faut faire. Mais comme nous avons 6 hectares, 3 hectares, nous avons des gens. Mais nous, avons 100 milliards pour l'hôpital. Moi, je pense que si. Donc, le programme Bob, nous avons construit d'un coup, nous avons phase. Nous faire un phasage. Parce que l'hôpital a un pavillon. Il y a urologie, il y euh, dentologie, il stomatologie, il néonatologie, etc. etc., etc. Mais nous avons fait par phase. Nous avons des phase bi ci urgence réanimation bloc opératoire morgue Nous, les les les un projet hospitalier donc ça ne veut pas dire que nous lu bees bëgguñu lu gën mais nañ koy fait, mon cuune mon attentatoire à la santé au système de santé C'est loolu euh, dañ ko arrêter tout de suite pour rectifier ko. bon xam y a un projet euh, d'hôpital international de Dakar bon, depuis 2013 Warono na euh, parce que le président Ablaye a fait joxe deux hectares pour un plateau médical très attractif nga xam ni au niveau international ce qu'on fait def Dans donte hôpital lañ ko tuddee euh, euh, clinique en fait parce que c'est privé Les privés sénégalais ñoo ñoo ñoo les professeurs am partenaires extérieurs comme EPOS Health Management nga structure allemande la boo la santé qui nar géré centre plus un consortium de médecins étrangers de docteurs et de professeurs les meilleurs du monde nous avons parlé pour nous, euh, hôpital international de Dakar intervenir notamment la chirurgie ambulatoire la chirurgie euh, micro-évasive pour que nous nga par exemple des complications ñu war opérer Nous avons dit dans les 24 heures 48 heures nous avons des dem comme nous avons fait un documentaire nous avons illustré la qualité de service donc munoo indi ay professeurs ak ay docteur yu jóge bitim réew di opérer nit combien ça va coûter ko xamni day jël jet privé bi ñëw Dakar def intervention am koku ba baadoole bi du ko fay légui projet bobu laa ni dafa exister té lolu war nañ ci informer Sénégal comment se fait-il que biko Clair Clédor yëkëté rek la nit ñi commencé wax hôpital international de Dakar hôpital international au moins ça a le mérite d'être un débat d'être versé dans le débat public les réactions ci réaction yi euh, ñaar principal docteur Signaté et professeur Kassé euh, j'ai beaucoup apprécié euh, le texte du docteur Signaté sais tu l'as sous les yeux parce que je hôpital première phase bi daanaka na collègue d'accord phase bi phase bi Accent de thalassothérapie koku Pareil légui pour avoir une idée de hôpital bi bu pourquoi manie? pour bailleurs de fonds il la ak yenn privilégiés parce que docteur Signaté de ce n'est réservé à aucune catégorie sociale légui thalassothérapie ku xam thalassothérapie c'est réservé à une certaine catégorie sociale sur le front de mer post Health Management, ce n'est pas, pas des, des, nains, c'est des gens de, de, la santé. Donc, nous, c'est un service, Pour preuve, il y a un centre de cancérologie. Du professeur Kassé dit, Bounek à côté. Professeur Kassé a dit, j'embraye sur sa réaction, que plateau Bobo, Amoul Maroc, Amoul Tunisie même France 30 des structures de santé ont ce niveau euh, euh, de plateau médical donc centre de cancérologie des imagerie moi, euh, plutôt comme scanner IRM imagerie médicale des chimiothérapie des radiothérapie parce qu'il ñaar a une de donc y c'est un centre de cancérologie donc day am Légui, radiothérapie. Si hôpital euh, d'Antec, nous avons fait 150 000. Le malade fait environ 10 séances. Mais vous chez le professeur Kassi, tu sais combien 2 millions la séance. 2 millions. 150 000, 2 millions. 2 millions. 2 millions 500 000. Mais Lui, il nous donnera certainement euh, euh, la, bonne information. Entre 2 et 2 millions 500. Donc, une séance à 2 millions c'est réservé à une certaine catégorie sociale Ce n'est c'est pas donné ah man de mënuma ko je ne peux bu 10 séances 20 millions ci radiothérapie chimio imagerie médicale consultation frais d'hospitalisation lii bi monitoring sax lañ koy fay tout se paye la salle se paye le monitoring se paye le, service se paye donc moi il fait son service à minimum 2 millions. Comme l'hôpital international de, Dakar aussi, ça va être dans la même fourchette parce que c'est le même niveau de plateau. Donc, nous voulons faire mais nous n'est à notre portée. Parce que euh, euh, euh, chimiothérapie, radiothérapie 2 millions à 150 000, il n'y a pas photo. Donc, pour répondre au professeur de signaté par Ricochet, c'est bien réservé à une certaine catégorie sociale parce que l'hôpital international de Dakar, plateau Bobo, et puis c'est privé euh, c'est pour faire des bénéfices mënut Melny, euh, hôpital bien nga est euh, déjà de subventionné coût de dafa dafa 000 a 2 millions y a pas photo donc hôpital international est c'est bien réservé à une certaine catégorie sociale parce que Sénégal a un centre de thalassothérapie thalassothérapie moi, ay ay ndox ay ay ay ay moteur yo xamni da fay am lu muy defé ndox bi mu def le genre massage genre thérapie ak yoy tout ça lolu lolu c'est lolu lolu lolu c'est réservé à une certaine catégorie sociale lolu du lu ñu xam lolu pour pour pour ñu feex ñi la donc ñu feex ñi fi ñan la man dem ci cible dem ci bolé les investisseurs yi nga xamni dañu am assurance vie yo xamni c'est des milliards xam nga ñom euh, ñom ñoom euh, gars yi nek fi dans bugguma tur c'est ça. ay tur ñu dans l'or dans le dans dans les mines dans le pétrole dans le gaz ont une assurance vie ma foi il faut nga jël en charge médicalement ñooñu bu une du hôpital Dantec principal wala suñu clinique et puis ils n'ont pas même les mêmes pathologies que nous nous seen une du ay sibiroog ay tension yooyu ñoom une pathologie la ñuy am yoo en charge vie, l'assurance pose problème donc euh, j'avais donné l'exemple de l'hôpital de Ninefacha à, à Kédougou boo xam dañuy def euh, ay imagerie médicale de toutes sortes de télémédecine, des médecins qui sont aux États-Unis intervenir. Moi, le bon sens, ne n'est pas pour les populations autochtones seulement, mais également pour nous qui nous sommes dans l'or, nous sommes Rogers et autres. Euh, nga xam ni ñooñu assurance bi c'est est c' mënuñu nekk Kédougou ba noppi euh, bu ñu feebaree ñu yóbbu hôpital Kédougou wala hôpital Tamba il faut penser à leur prise en charge médicale sinon l'assurance ne suit pas problème il dafay am aussi parce qu'on a euh, un, tourisme euh, euh, d'affaires, un tourisme économique, Mais ce tourisme médical là parce qu'on parle de tourisme médical notion mais c'est juste ça tourisme tu fais appel à l'extérieur Ce n'est pas pour les autochtones donc c'est bien réservé à une catégorie sociale donc débat je m'en réjouis que vous posez vous ñu y a un hôpital qui existe paré na c'est un problème pourquoi Il y a une société française si on ne chargé le plan de circulation qui a mal dimensionné les portes nga matériel bi le matériel bi mu mais l'État a réquisitionné le matériel Il jël en charge maladie yi nga dañ réquisitionner le centre de cancérologie du professeur euh, Kassé même si nous avons fait ça, mu koy fait, nous ak Nous avons en charge les maladies yi nga fait leen parce que c'est pas fonctionnel boo leen tout Dalal ce n'est pas fonctionnel alors que là c'est fonctionnel mais c'est 2 millions L'État état dina góorgóorlu pour jël en charge suñu maladie parce que c'est des structures qui existent mais loolu là doon dénoncer il y a des structures de luxe de de haute qualité qui existent mais nous balancer les gens ay Touba ak ay dalal jàmm ne on peut même pas les prendre en charge alors que le professeur Kassé a dit que fou mais amul fenn amul Maroc amul Tunisie France sax ñëpp amuñu mais pourquoi euh, euh, un centre c'est pas une salle de de chimiothérapie un centre c'est plusieurs unités donc l'olu, war nañ ko mettre à contribution pour prendre en charge nos malades donc le débat n'est pas inutile ça permet au moins l'opinion de xam ce mais ma foi je m'en réjouis je m'en réjouis vraiment mais xam le cancer la euh, dialyse dafa sensible beaucoup tu deful da ngay dee dafa dafa dafa urgent moo me me cibler ciblé pathologie yooyu waxuma sax euh, euh, dialyse mais dialyse avec ak cancérologie c'est une urgence rawatina nak dossier médicaux yi ma loon wax dossier médicaux yi nga xamné ne euh, la maladie wara a bu réré ñooñu ils sont condamnés à mort du fait de l'absence parce que buñu amul ce historique médical duñ la mëna pas sax dugal ci ci ci ay machines yo xamné ne dañuy irradier ce corps de de de de particules atomiques donc euh, euh lool motax mu cibler pathologie yoy parce que on en meurt et il y en a qui sont morts entre temps de de cancer Il xam ne une chimiothérapie y a une dame euh, madame Kébé qui a fait un témoignage hier une conférence de presse euh, avant-hier je crois une conférence de presse au personnel de la santé bu bu daw yaram parce que moom bu muy def chimiom dafa amoon moyen de ko le temps de réparer machine bi nekkoon mais bi mu delloo ñi je suis consultation je a dee moi j'ai attiré attirer euh, attention nit ñi ci ci ci urgence maintenant les autres cliniques état ni réquisitionner réquisitionné un camion transporteur de Covid 19 nous la réquisitionner des cliniques su fekkee ni dañu soxla plateau médical parce qu'il y a urgence toujours planification xam nga si favoriser le consommé local c'est très normal nous arrêter importation c'est un peu même enfreindre les règles de l'OMC mais c'est de bonne guerre parce que mieux pas de protectionnisme mais dans ce gap de temps où nous euh, avons ci pénurie euh, produits locaux euh, Europe ak fii un bateau il fait pas plus de 10 jours donc euh, war nga avoir un stock li ñu naan seuil de réapprovisionnement am na stock boo xam ne fu bu fa réapprovisionner automatiquement avant d'être nekk en rupture de stock kooku ñëpp ñuy def gestion ça c'est le ba de la gestion ba xam nga ba de la kuy gérer magasin magasin boutique sa benn marchandise buy waaj a jeex da ngay passer commande doo xaar ba mu jeex tàkk nga commandez da ngay fixeel sa bopp seuil de réapprovisionnement maanaam keesu Gloria bu desee bu desee cinquante kees laay commandé wala bu 20 vingt vous laay commandé mais pas vous avez zéro bu jeexee laay commandé donc euh, état nga savez dafa am euh, une direction de la planification euh, war na mën a gérer loolu ak méthode ba nga savez ni du pénurie donc cela, incompétence mu ngi fa quelque part mais aussi caractère véreux commerçant et tamit commerçant sénégalais yi neexu ñoo parce que euh, euh, événement bu New York transport événement bu New York euh, bien de consommation yi rupture d'approvisionnement, mais mais de 000 à 50 000, c'est exagéré quand même c'est beaucoup trop exagéré donc l'État a faire rectification comme nous commençons commencé saisir ay appliquer des prix normaux ou des prix normaux ou de saisir carrément très bien Le problème de conservation c'est un problème crucial parce qu'il y a un programme pour l'autosuffisance euh, en produits maraîchers mais le principal obstacle c'est les aires de stockage et de séchage parce que les pommes de terre ak euh, soble euh, produit les produits sont day train ak donc le premier séchage boo xam mbay parce que bu les soble sont wala train pomme de terre war nga arrêté arroser bi 15 jours avant que koy boko boo aussi war nga ko exposer à l'air libre euh, mu fendi tuuti euh, balaa nga koy mettre en sac diko jaay des fois producteur bi dina soxlo soxlo bo xamné wala événement présenté wu euh, rapidement mu bëgg jaay ba nga xamné lolu yëpp du ko def donc produit da fay manquer qualité par rapport au produit ñu exporter exporté nak pour pallier à tout ça bu amoon ay aire de séchage et de séchage et de stockage foo xam ni dañ fay mën a fendil soble euh, pomme de terre bi on peut mën ko fa denc euh, bu pommes pomme de terre par exemple en chambre froide euh, boba, non seulement pénurie du am mais maraîcher bi dina ci gëna gis bopam parce que dina mëna jaay au meilleur prix parce que dafa am ay étrangers yu nekk fi ay indiens ñoo xamni am nañu capacité yooyu diko développer ñom dañuy stocké lu bari di sécher lu bëri di conserver lu bëri les moments de pénurie ñu génnee sen stock diko écouler di concurrencer suñu maraîchers yi donc suñu maraîchers yi état bi moo leen war a ñëw en appoint jappalé leen pour que li indien bi mën ñom ñu mën ko ndegam doxandéem bi mo mën a régler bopam ba am solution mom ci bopam état warna jappalé jàppale euh, béykat yi ñu doon pour ñu am solution ba nopi protéger leen contre ces étrangers yo xam ne dañu ñëw di bokk ak marché intérieur parce que ñoo dañ leen waron forcer exportation avons euh, déglu une déclaration candidature euh, président Ousmane Sonko en direction de 2024 euh, c'était dans l'air du temps parce que quand même coalition a eu à que c'était pour les locales et pour les législatives Les législatives vous parlez, présidentiel, ku nekk demal sa présidentielle vous deuxième tour nous si déjà donc c'est ça qui est dans la charte kon amul un problème mon poser pose candidature comme Malika Gakou ni mu posé candidature te ken khalatou ci ay pression wala une préoccupation Je tax euh, Malick Gakou candidature Avant le avant président Ousmane Sonko ñëpp dégg le euh, Khalifa Sall ci France 24 ni en 2024 il sera candidat donc def candidature boobu moo dit yep. mais xam nga mirum Ousmane Sonko euh, ça tape à l'œil parce que tout le monde l'a à l'œil donc euh, en fait euh, il explose les écrans parce que nous, ñu observé. observer maintenant même si nous avons sax dañuy reprendre ay activités donc euh, moom mu mu candidature a par par contre signification parce que au sein de Yewi, nous avons ñoo que dynamique bi ñu am d'accord pour nous ci législative Nous sax war la dynamique c'est-à-dire il y a eu son candidat débat au sein de Yewwi c'est officiel, c'est même pas officiel parce que du conférence des leaders est ci mais les leaders ont trouvé idée bobu ni ci la wara euh, quand quand Ousmane Sonko déclare sa candidature soit il coupe l'herbe sous les pieds soit il se positionne en candidat maintenant si vous vous positionnez comme candidat je crois que c'est un message à l'endroit de ses alliés naturels. Parce que amna alliés naturels qui ne se retrouvent pas dans ce cadre trop élargi de Yewi Askanbi. Donc, pour moi, c'est un clin d'œil à ces alliés naturels-là pour leur dire que, bon, nous avons tracé notre voie. Les quand Bouboba, dans l'étau de Yewi Askanbi, dans l'étau de la conférence des leaders de de la commission d'investiture de des structures de législative la c'est normal on na dit l'indépendance, euh, mener action politique parce que l'élection présidentielle c'est un homme et un programme Ce n'est pas euh, une association une coalition forcément Les ñi nga partagé nañu vision avec ce programme nous ngay àndal de nga bokkal gis-gis nous la tous tes alliés naturels qui ñom rek nga en direction euh, euh, des présidentielles pour soumettre une offre programmatique bi nga xamné nit ñi ci rupture bi ñu projet bi nga xamné porté ci Ousmane Sonko té nous mëno ko def bu da à toutes les obédiences politiques Nous euh, do mëna am sa particularité ak rupture yi nga été opérée. opérer on ne fait pas du neuf avec du vieux

parce que euh, président Macky Sall dafa bëgg Tek Sénégal ci fitna ci instabilité parce que dafa mel ni loolu moo ko arrangé qui a profité parce que a une minorité électorale une minorité sociologique qui ne mënu ci gouverner parce que si on est nii pas tëju ne peut pas gouvernement le gouvernement mënul orienter bureau assemblée nationale parce qu'il n'est plus le maître du jeu est au Sénégal quand même c'est euh, ko jàngat bu euh, opposition bi dafa téye moitié assemblée nationale ci loxo ak ben moitié buy flotté bo en cas de vote secret kenn xamul que pas jëm opposition bi avant ça askan bi daf toutes les grandes villes du Sénégal ay Touba ay Thiès ay Dakar ay Kër Ziguinchor Bignone toutes les grandes villes nga xamni commission administrative yi bi ñuy bindu certificat résidence yeeg la l'opposition a le pied à l'étrier et askan ce moo mo moo dans carte c'est une nouvelle donne bo xamni kuko ku en compte da ngay juum ci ses analyses, parce que le président Macky Sall xamna ni le vent ne lui est plus favorable donc instabilité lay djema créer parce que arrêter Ousmane Sonko wala créer Ousmane Sonko moy créer l'instabilité euh, le chef de l'État garant de la paix sociale warul djem ci euh té may fatali toujours ni dafa def réforme état de siège nga xamni prérogative assemblée nationale mu téye ko ci loxom état d'urgence mu téye ko ci loxom yok même beneen troisième euh, régime d'exception urgence sanitaire jël lool yépp téye ko ci loxom donc assemblée lool la wara ñëk njëkk nangu ci loxom parce que mënu fi créer instabilité ba paré yoré instrument yooyu ci loxoom loolu euh, dañu fexé ba li ram dal lu jëm ci ñag bi mënuma ci sori bon temps passé là non xam nga amna ay jamono dans les années 88 il euh, et quelques eu naan militants militant PDS même ay membres PDS yo dañu euh, j'étais militant du PDS parce que j'étais proche de la direction du PDS actuellement il y a ay militants Pastef yu jàpp militant passif, parce que je suis proche du président Ousmane Sonko qui a gis-gis ci ay analyse ci ay et puis on porte les mêmes combats c'est nos nos chemins qui se joignent c'est une évolution en Y da ngay point A point B ngeen converger ci moy V bi après ngeen bokk ben ligne moy gennu Y c'est une bretelle donc loolu moo ñu booleeg Pastef c'est comme un compagnonnage ci ñoo xam ne dañu bëgg rupture dañu bëgg lu bees dañu bëgg nit ñi profiter ci seen koom-koom surtout man mi nga xam je me bats pour que li Sénégal am ku que jot ci àqam ak yelleefam quand Pastef dit jot lu ñepp bokk ku nekk jot ci ça épouse moi ma conception et mon combat ne serait-ce que pour ça lolu convergence même programmatique euh, pour me mener and ak Pastef et son leader ça fait pas de moi un militant politique parce que suma lolu doon militer politiquement kon lolu une carte PDS bu parce que 88 le ma Ablaye Wade en personne me recevoir proposer, ma man ak sama nit ñu jël carte PDS kon heure kon sore woon politique man choisir un citoyen mais veux exercer quand même sa citoyenneté de contribuer au débat public de façon utile et, formative par l'information plutôt que de militer dans un parti politique Le parti politique c'est des guerres fratricides da ngeen di des di arraché positions, ay position da discipline de parti Le parti bi est dogalee munoo teg sa xalaat il tegee sa xalaat dañ leen moi, je suis un électron libre, je tiens trop à ma liberté de jugement, d'analyse et de critique pour me soumettre à une discipline de parti ou à une idéologie libérale, socialiste, communiste, etc. Donc, lol, je suis, je suis dans la citoyenneté, je ne suis pas membre de PASTIR. Donc, si je des informations, non, moi, j'ai existé depuis avant Ousmane Sonko, parce que, parce que Ousmane Sonko, il a existé en 2014. Donc, euh, euh, j'ai fait mon parcours de 88 à maintenant. Donc, euh, Ousmane Sonko, c'est récent. Et puis, buzz. Euh, nous, on n'est pas à la recherche du buzz. Man, bon, je suis un homme même discret. Euh, parce que, je me dis que man, les ressources naturelles, la concentrer. Je me dis table, Donc, ça, je crois que ce n'est pas du buzz. C'est un service envers les citoyens et envers tous les citoyens, y compris le parti au pouvoir, parce que nous avons gelé sur mes investigations, des informations ba parfois dinañu rectifier ba dañu jël ay mesures yo xam daf may lerr ni li ci sama ben prestation wala sama ben information donc lolu bokul ak ak buzz moi je suis je suis par la force des choses propulsé devant les feux de l'actualité té lolu lu di a gérer la parce que man j'ai plus de vie privée j'aurais souhaité pouvoir aller à la plage avec mes enfants sans ñu nan ma grand baa ngi je suis je suis je suis plus libre j'ai j'ai plus de vie privée donc un handicap peut-être qu'il y avons bëgg buzz mais dañu xamul euh, euh, ni muy ni muy cette intimité cette vie privée donc je euh, ngi suis di soumettre à des questions donc je le fais tout le temps que je suis sollicité donc loolu beaucoup buzz parce que moi je n'ai jamais demandé une émission à être invité nit ñoo may sollicité à cause de ma contribution dans le débat public donc loolu aussi c'est quelque part un buzz parce que des fois si on est dégué, je lu mu donc là, ça fait voilà ça fait boum quoi mais du et et ça n'a rien à voir avec Ousmane Sonko ça n'a rien à voir avec personne parce que on xoolee le débat euh, sur les ressources naturelles mais il n'y a que moi Il y a un désert Là, amul amul duma

ñom buñ ma déggé duñ ma yobbu tribunal duñ ma wéddi parce que xam nañu tiim naa kayit bi suma né 75 soixante quinze milliards u ArcelorMittal téq nañ ci 20 milliards je pèse mes mots ni dañ ko dugal euh, ci université euh, tabaxu université Cheikh Al Islam Ibrahima Niass ñom xam nañu gis naa accord de transaction bi nga xamné Ali Ngoy Ngouille Ndiaye moo signé en lieu et place de l'agent judiciaire de l'État té lolu du yoon si vous avez un accord de transaction bi euh, indien deux jours après l'université de 75 milliards deux jours après la signature de l'accord de transaction qui a été signé en 2013 deux jours après la ñuy versé Khalis, versé en trois lois de finances rectificatives fait que bi moo 2014 2015 2016 te deux jours après l'université. Si ko versé su ma waxee loolu du wax lu ma neex un ñi may dégg accord de transaction bi xam que ne Aly Ngouille signé xam nañu milliards yoyu mëna dugg dans les détails parce que amna ben société sénégalaise bo xamni mom moom lañ joxoon marché bi bu associé ak benn société américaine ba muy waaj a ñu nang ko jox ko ay chinois te chinois yooyu ñep xam nañ ñuy liggéeyal donc lolu ñun dañ ko top ba am ci lu donc ñun duñu wax lu ñu neex su jaayee 10 suñu or dugal ko product domaine agricole communautaire de Itato mu seey ñom duñ ko démentir parce que dama ko dama yore le document de renonciation au droit de droit de préemption en fait la jaay 5 milliards 5 petits milliards Mame inspection générale des finances épinglés. épinglé. Ce c'est pas Clédor qui dit que c'est seeyal Khalis. inspection générale des finances moo épinglé projets 29 milliards dont ces 5 milliards là du domaine agricole communautaire de Itato 82 bassins de pisciculture la ñu fait. defar 30 100 000 tonnes de maïs nous avons produit. 3 000. produire 3000 fait 7 milliards qui ont fait rien que le domaine agricole Itato 12 milliards donc l'eau, mais ce serait bien que procureur quand même mette mais Clédor kaay leeral li ngay wax nii donc waxuma waxuma n'importe quoi parce que quand même ñi may waxal dañu am pouvoir c'est le chef de l'État c'est le ministre Aly et j'interpelle souvent le procureur de la République pour me saisir ci dossier moo ëpp solo di auto saisir ci ay émoticônes yu ñu partagé ay postes que nous partageons. je pense à Ousmane Diagne affaire yu ñàkk fayda yooyu ñu ci auto saisir def matière bi def naa moo euh, prospecter euh, que que ay articles partagé dans un pays de liberté d'opinion. Mes sources, c'est la documentation, la recherche, l'investigation et le réseau. Euh, réseau réseau bi parce que je m'étonne même que des journalistes demandent des sources xam nga un investigateur bu ñu source on on grille des gens. donc je euh, dis, euh, monsieur tel moi, je tel document mais il y a des moyens à l'extérieur de savoir ce qu'on cache à l'intérieur parce que compagnie compagnies extractives, euh, minière et pétrolières, dañuy obéir à des standards de transparence euh, dans les milieux boursiers dans les milieux boursiers si nous in euh, dans les joint ventures même pour les 0,001 à ça leur donne le droit de regard et le de contrôle sur tout ce qui se passe dans l'entreprise en matière de transactions par exemple Mimran est en train d'acheter tout l'or du Sénégal il a 20 partout moi je suis ces transactions ces achats tous les jours donc mu ngi mu ngi SME wu mu ngi agrandir ba dugg na ci zircon Mimran mining donc ni euh, muy liggéeyal aussi Non, laa leen di suivre cest à du ku nekk sa domaine d'intérêt da nga gis ay ay boy yoo xam ne dañuy waxtaan ci ci championnat d'Angleterre dañuy xam joueurs yi xam transfert yi xam classement yi dañ ciy xam dañ ciy am ben benn benn expertise boo xam ne te pourtant mosuñu dem Angleterre parce que daf leen intéressé donc nous l'avons intéressé ci consacrer ce temps et cette énergie matière donc euh, principalement c'est source parce que le euh, décret d'approbation si Macky Sall signé dans les 24 heures parce que heure Australie a un décalage dans les 24 heures je suis dans mon mail donc les gens vont dire mais comment il a fait mais ce n'est pas diable je ne suis pas dans le bureau de Macky Sall mais j'ai les moyens d'avoir ses décisions sur mon mail parce que dafa am ben linkage on s'organise pour avoir accès à l'information parce que fi on nous donne pas assez accès à l'information cependant il e mu ngi ciy def ben liggéey mais c'est pas exhaustif parce qu'il met beaucoup de documents à notre disposition, mais il lepp. li ci des nak ñun ñokay wuti té amna lo xamné e sax donc mon intérêt pour les ressources naturelles mu ñu remonter euh, dans les années 86 Si ma ngi nek île de don nap ak samay copains euh, di parce que dañu bëggoon am une autonomie financière donc vous ay touristes dañ fa doon ñëw on avait un couple Loïc et Muriel qui était venu ici et qui me disait que ñom leen fi indi espionnage industriel je ngi doon doog dégg c'était quoi ils sont à la trace de de cargaison de pétrole euh, au Sénégal bu ñu war a livrer ma pétrole ñu ne ma oh, alors ñu top euh, cargaison bob, ça venait du gisement de Diamniadio comme comme nous numéro Jeune Afrique bi euh, spécifié donc top top top nañu euh, cargaison parce que nous avons 12 000 barils SAR pour le traitement expérimental donc nous avons nañu am résultat traitement expérimental Nous ba une ñu ci copie copie Et dem et Lolo moi ma intéressé euh, au pétrole aux ressources en général euh, euh, le journal de Jeune Afrique de de 93 bi ma garde ko parce que je ma abaloon la page tellement ça m'intéressait moo tax mu jubul boo on dit Diamniadio exploité nañ fa dañu 61 000 barils de de brut et 37 millions de mètres cubes de gaz ont été exploités. On a bien écrit exploité, on exploré, on Donc 12 000 barils de traitement expérimental, nous avons une copie de Donc tel ne suscité, c'est mon intérêt. Bon, le numéro Jeune Afrique Économie euh, c'est de 1997, Nous avons dit l'or, nous avons dit ressources minières au Sénégal en général. Nous mettons en évidence euh, gisement Saint-Louis Kayar mais gisement et nekk Casamance que c'était déjà des découvertes faites euh, des découvertes prouvées alors que nous, nous nit ñaa ngi ni découvrir euh, bloc c'était un dafa qui données parce qu'il avait travaillé euh, à la banque de données de Petrocel donc il avait tout ça là-bas plus les études sismiques y a afférentes hein. donc y afférentes hein. léegi ci nous aussi déjà en 1997, on était à 3 000 milliards de recettes d'exportation waxuma tomber fiscal de recettes d'exportation c'est 3 000 milliards dans les 10 prochaines années a-t-on spécifié donc ça veut dire au moins 300 milliards par année on ko étalé sur 10 ans alors que ITIE a déclaré 100 et quelques milliards ci jamono des xam ni zircon boobu amuñu zircon nous plusieurs euh, euh, euh, entreprises exploitées exploité or boobu benn fi nous avons six unités qui exploité phosphate boobu benn mo am trois cimenteries qui benn mo fi exploité exploité marbre également ñu Nous avons exploité aussi exploité 97 euh, euh, euh, donc man Clédor y a du parce élément de comparaison donc ça m'a intéressé depuis longtemps non, euh, la la garder ces archives euh, de de Sud Quotidien euh, bi wax querelle autour de l'or donc ak numéro Walfadji bi bi accusation autour de querelle et accusation autour de 30 tonnes d'or déjà 30 tonnes d'or déjà c'est jamono te ñu ñu production or 12 tonnes 12 tonnes en 97 on parlait de 30 tonnes d'or donc man yooyu daf may metti dama koy xam damay xam li mu doon moo tax ma que ci liggéey bii moo tax ma ci xar sama tànk tubéy pour li pour ci am ma partagé ko ak Sénégalais parce que passion la nekk nekk nekk ci man te képp ku bëgg a liggéey Sénégal mënoo ko sans ses ressources parce que mënoo am autant de ressources di compter sur une politique d'endettement ou de surendettement parce que ces ressources moo war financer ce budget et par partant ce développement donc il faut nga xam l'état de la ressource te état de la ressource bi dañu koy nëbb l'école, école dañu au Sénégal producteur de phosphate et d'arachide Nous avons une jàngalool suñu doom jàng nañu ba léegi loolu la ñuy et la réalité a changé comment on apprend à nos enfants même les curriculaires de formation doivent évoluer waratuñu leen jàngal ni Sénégal phosphate phosphate ak arachide la parce qu'on a on a beaucoup beaucoup de ressources donc c'est euh, moi man sama combat bon, xam ni dama ko dama ko versé ci ci débat public bi loolu nous lu mais mais par exemple euh, j'ai produit un document afférent à la réglementation sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz Ce refusé, c'est même la législation sous-marine euh, réglementation bob. mais euh, ak le technicien Pape est-ce que xam a un ingénieur bu mën paramétrer les instruments de mesure les débitmètres yi nga y a un a li ball gaz au Sénégal amuñu ko a yi ñoo ñuy donc c'est autant de choses vers lesquelles on doit orienter nos curriculaires de formation pour maîtriser ce qu'il avoir mais à voir. le débat bi duñ ci duñ euh, donc c'est donc ma passion c'est ma part de mission que personne ne m'a assigné Je je suis assis, je suis assis, je suis assis, Je suis dem man suis assis, Je merci beaucoup